Nous sommes au mardi 2 janvier 2024. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangu. Nous sommes au deuxième numéro de l'année. À la présentation, je suis Samira Rafi. Avec moi aujourd'hui, Mariam Adé. Bonjour Mariam, tu vas bien Je vais bien, Alhamdulillah Samira. Et toi Oui, ça va, Dieu merci. Alors, qu'avons-nous au programme ce matin Nous démarrons avec le Flash Info, comme toujours, suite à la rubrique hebdomadaire santé et direction Tilaberi pour l'écho des régions consacrée à la préparation du sombala, un ingrédient de cuisine. Sans oublier notre page sport, la chronique Lotti et la culture linguistique. Dans cette même émission, nous recevons également Alassane Sido, secrétaire général de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger. Et ce n'est pas fini, Samy, il y aura aussi une très bonne dose de musique nigérienne. Top, c'est parti pour une heure d'infos et de divertissement. Chers auditeurs, voici le flash d'information présenté ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, Samira, bonjour euh, Mariam. Bonjour Mokhtar. Le flash d'information à présent. Le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen a présenté hier à Agadez la rencontre régionale en prélude aux assises de consultation nationale du dialogue inclusif. À cette occasion, le comité a présenté les résultats de ses travaux. Cependant, plusieurs participants ont reproché au comité régional de n'avoir pas fait apparaître euh, certaines propositions des différentes corporations subies aux autorités régionales. Selon reporter sans frontières RSF, 45 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions en 2023. Il est le plus bas depuis 2002 malgré la situation au Proche-Orient, à Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. 13 journalistes au moins ont été tués dans le cadre professionnel et 56 au total si l'on inclut les journalistes tués sans lien avec leur métier. Euh, pour euh, le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, euh, cela reste toujours trop. Dans le monde, 521 journalistes sont derrière les barreaux pour des motifs arbitraires en relation avec leur profession selon RSF. Une réunion de cadrage de la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse des bovins, la peste des petits ruminants et la pasteuriolose des camélins, édition 2023-2024, s'est tenue samedi à Tawa. Elle a regroupé les mandataires privés de l'élevage et les services techniques de la région. Cette édition a pour objectif de vacciner 90% des bovins et petits ruminants éligibles et 30% des camélins. Rappelons que la campagne de vaccination du cheptel édition 2023-2024 a été lancée conjointement le 27 novembre 2023 au Tchad. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 2 janvier 2024. Merci Mokhtar et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Comme nous l'avons annoncé tantôt, notre invité du jour est Alassane Sido de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger. Bonjour Monsieur Sido. Oui, bonjour. Je me présente Alassane Sido, secrétaire général de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN NIA. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence dans cette émission. Notre sujet de discussion portera sur le maraîchage, une activité pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Avant de vous donner la parole, prenons notre première pause musicale avec les titres Has Moutoua de Abdusalam. Ina ina kuke mazaje ina kuke mazaje gatan gatan ku ta je ta ku gatan gatan ku ta je ta ku ga hatsi gatina ce ga hatsi ce ga ce ga ce ga ce ga hatsi na ce mm-hmm. amma wa gazuwa hatsin mutuwa ne amma wa gazuwa gurin mutuwa ne amma wa gazuwa gurin ta ya karba amma wa gazuwa gurin ta ya ramta wani kauye a Nijar. yunwa suke da gari da yunwa gari da yunwa gabas da yamma gari da yunwa gari da yunwa gudun arewa amma waga zuwa gurin mutuwa ne amma waga zuwa gurin da ya karba zamta hatin gurin mutuwa ayyana da doka sharaɗi yake da babbar magana ce magana cikin magana in kana iyawa ce ka ishe ta haka ko da shi haka ko da shi haka sauran mazaje sun banye damara don ba su iyawa sun banye damara don ba su iyawa sun gudu wasu sun bar garin duka don ba su hawa. Cette musique que vous êtes en train d'écouter, c'est la bande d'annonce officielle du film Hazemotoa ou euh, si on dit en français, Le Mille de la Mort, du réalisateur nigérien jaloux de Tanguy. Une chanson qui retrace euh, le film à la lettre et nous donne une forte envie de le suivre. amma ga zuwa wurin ta yaramta amma ga zuwa wurin mutuwa ne ko da shi haka ko da shi haka sauran mazaje wasu sun gudu wasu sun bar garin duka don ba su iyawa ko da shi haka wasu sun gudu wasu sun bar garin duka dan ba su iyawa dan suna da sarau dan suna da sarau garin raken dawa garin raken dawa maza tun da sun gaza yanzu mata ke kira ko suna iyawa yanzu mata ke kira ko suna iyawa mata mara dawa mata mara dawa yanzu na san kuna zuwa dan kuna iyawa yanzu na san kuna zuwa dan ku da sarau lamta hatin gurin mutuwa ai yana da doka sharaɗi yake da babban magana magana cikin magana in kana iyawa je ka ishe ta mata dubara suke da Mata, maraken dawa matan maraken dawa dubarar ku mai yawa ce kuna iyawa azancin ku mai yawa ne kuna iyawa kokarin naku mai yawa ne dan baku da sarau Après cette pause musicale, entamons nos échanges avec notre invité du jour. Notre sujet de discussion portera sur le maraîchage, une activité pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Alors, Monsieur Alassane, dites-nous comment se porte le maraîchage aujourd'hui au Niger. Oui, merci. Le maraîchage se porte très bien aujourd'hui au Niger parce que ça se pratique dans les, tout, dans les huit régions du Niger et plus pratiquement dans tous les communes, dans toutes les communes. Donc euh, les maraîchers sont vraiment des professionnels euh, dans leur activité parce que au Niger, euh, il y a des cultures maraîchères que on ne peut trouver que ces cultures-là qu'au Niger. Même si on les trouve dans les autres pays, si tu demandes, on peut te dire que ça vient du Niger. Par exemple, l'oignon. Et c'est pas seulement l'oignon. Et aussi vraiment, la culture maraîchère est un levier vraiment au Niger lutter contre l'insécurité alimentaire et même euh, le manque d'emploi qu'on dit parce que c'est une activité pour les jeunes, pour les femmes, pour tout le monde, on peut dire au Niger. Alors, à quelle place occupe cette activité au Niger En tout cas, cette, euh, cette activité occupe une importante euh, place au Niger, mais c'est que c'est les personnes les plus faibles qui utilisent souvent cette activité. Si on parle par exemple les millionnaires ou bien les milliardaires qui peuvent investir dans l'agriculture, ils ne s'intéressent pas à l'agriculture. C'est les jeunes, les femmes et aussi les plus âgés souvent qui pratiquent le maraîchage. Alors, euh, quelles sont les différentes cultures maraîchères pratiquées Citez-nous surtout euh, quelques-unes comme exemple. Oui, euh, les différentes cultures au Niger, c'est toute une gamme de légumes et des des fruits. Donc, je peux citer parmi les légumes, il y a, vous connaissez, il y a la pomme de terre, il y a l'oignon, il y a la tomate, l'aubergine, euh, pavron, laitue, même le sésame, même le sorgho, patate douce. Toutes ces cultures-là, on les pratiquait au Niger et même des céréales qu'on est en train de produire actuellement au Niger avec l'irrigation. Et euh, est-ce que selon vous, euh, cette activité, avec plutôt cette activité, le pays peut s'autosuffire en produits frais, avec zéro importation, par exemple de la pomme de terre, des tomates fraîches et autres Oui, bien sûr. Il ne suffit que d'une bonne politique euh, de l'État pour accompagner ses producteurs, parce que au Niger, on a l'eau, on a la terre, on a aussi les ressources humaines. Donc, euh, on peut faire le maraîchage 12 mois sur 12 mais il ne reste que ces producteurs soient accompagnés avec des semences qui répondent à certaines périodes de l'année, par exemple en saison pluviale ou bien quand il fait très chaud. Donc, euh, il y a certaines cultures qui ne répondent pas. Mais il y a des semences qui peuvent répondre que dès que les producteurs sont accompagnés avec ces semences-là, on peut même euh, même importer les légumes frais à tout moment, importer dans les autres pays. Donc, euh, c'est avec cette production on peut suffire le pays et même amener dans d'autres pays, si on peut le dire. D'accord. Est-ce qu'il y a une histoire pour ces cultures alors Ou bien pourquoi le choix de ces produits en particulier Bon, il y a toute une histoire pour ces cultures. Si je prends par exemple l'oignon, euh, on sait que le Niger est un pays producteur d'oignons où plusieurs pays de la sous-région et même des pays occidentaux sont ravitaillés en oignons par le Niger ou bien par l'intermédiaire d'autres pays, parce qu'il y a l'oignon du Niger qui quitte, qui va soit en Côte d'Ivoire, euh, au Ghana, avant de transiter dans d'autres pays, soit européens ou bien des pays américains ou bien asiatiques. Et à part l'oignon, il y a la pomme de terre qu'on peut cultiver ici. On peut les stocker à un certaine période où il n'y a pas la production pour le mettre sur le marché. Mais il faut des moyens pour cette euh, culture parce que, de un, les semences ne se produisent pas au Niger. Et de deux aussi, pour la conservation, il faut des infrastructures comme des magasins de stockage qui méritent des coûts. D'accord. Quel environnement est mieux adapté pour le maraîchage Est-ce qu'il faut forcément au bord d'un cours d'eau Bon, le maraîchage au Niger, on peut le faire euh, partout parce qu'il y a les cours d'eau, on a aussi des ressources naturelles qui sont les eaux souterraines qu'on peut en trouver un peu partout au Niger. Parce que des pays font le maraîchage qui n'ont même pas les eaux souterraines que nous avons. Donc on peut, le faire, on, fait, on peut faire le maraîchage dans les bas-fonds au cours des, des, eaux. Et même là où il n'y a pas les cours d'eau, on peut faire le maraîchage avec le fonçage des puits et des forages. D'accord. Quelles sont les difficultés auxquelles le maraîchage est confronté aujourd'hui Les difficultés auxquelles le maraîchage est confronté aujourd'hui, premièrement, c'est au niveau des semences. Parce que les semences maraîchères, souvent, ne sont pas produites au Niger ce sont rares les semences et euh, maraîchères qu'on produit au Niger. Donc, euh, le ravitaillement en semences est en semences de qualité qui peut répondre à tout moment. Et à part les semences, il y a aussi les matériels qui sont les matériels d'irrigation et les autres matériels de travail. Alors, euh, merci, euh, Monsieur Sido. Nous avons retenu que le manque d'investissement des plus forts fait que euh, n'atteint pas jusqu'à présent notre véritable capacité en production et aussi que les semences ne se produisent pas ici et ça fait barrage surtout l'endroit pour stocker la production et les matériaux pour faire le travail. Avant d'attaquer la deuxième partie de notre échange, on fait une autre tournée musicale avec le titre Kouya Koladi, un feat entre Sedik Saleh et Fatih Niger.

kin sanu kice da ni kin ambare ni na bano shi ne kadai zai sanya yi mini duran kunu ki ji ni ne zama da ke daram dam dam na riƙe ki da kam kam kam magiyan masu je can ban da san ki ban san komai Cette chanson de l'artiste Abin Labaram, connue plus précisément sur le nom de Fatih Niger, a confié sur la chaîne People, euh, une chaîne People Web du Nigeria que le feat était parti d'une blague en studio lors de l'enregistrement d'une autre chanson et Dieu faisant les choses, le titre a connu un grand succès. Ces succès, disons que c'est arrivé grâce aux paroles de cette chanson qui nous exprime l'intérêt que des amants se portent. En d'autres termes, on dira pour le meilleur et pour le pire, comme le titre de la chanson le dit. ko wuya ko daɗi. Jaruma sannan giliyar mata ke ce na yaba tauraruwar su mata ke Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, on va poursuivre nos discussions avec Messie Alassane. Espérons que vous avez aimé cette chanson. Bien sûr, très bien <laughs> Alors, vous faites partie de la Fédération des maraîchers. En tant qu'organisation paysanne fêtière, comment contribuez-vous à améliorer euh, ce domaine Oui, merci. Nous contribuons à améliorer ce domaine en accompagnant les producteurs maraîchers et sur l'appui conseil d'abord les conseils sur le conseil agricole et aussi la dotation en semences donc, euh, et leur encadrement dans l'organisation à se conformer aux réglementations au Niger et sous-régional. Donc il y a d'énormes appuis qu'on leur apporte. Alors, euh, comment l'association soutient-elle euh, ces maraîchers-là Bon, l'association soutient les maraîchers, par exemple, en les accompagnant euh, comme je l'ai dit, en termes de semences, et je vous ai parlé de la, des magasins de conservation en faisant le plaidoyer auprès de l'État et ses partenaires pour chercher des fonds pour leur faire des magasins de stockage et faire même des clôtures pour les, pour les femmes parce qu'il y a des jardins des femmes au niveau village ou bien au niveau commune qui n'ont pas la force pour faire des clôtures, pour faire le maraîchage. Donc, on les regroupe en groupement ou bien et même en union, on leur fait des jardins collectifs où ils vont faire leur maraîchage. Et à part ça aussi, avec la lutte euh, des, avec les insectes et les ravageurs de culture aussi, on les, appuie, euh, on les appuie et on leur apporte des produits en cas d'attaque. Mhm. D'accord. Vous êtes au total combien d'organisations regroupées au sein de la même fédération Très bien. Donc, euh, au niveau de la fédération, nous avons 107 unions. Et les 107 unions aussi ont 3003 coopératives, donc euh, réparties dans toutes les communes du Niger. Comment travaillez-vous ensemble Donc, euh, nous travaillons ensemble euh, en collaboration parce que nous sommes organisés de la fédération par région aussi, on avait des sections. Donc, au niveau de chaque section, il y a un bureau comme au niveau de la fédération. Donc, les informations nous serons montés de la commune en région, de région au niveau national et nous avons divers comités pour travailler avec euh, la population. Super, euh, vous aviez fait une tournée africaine cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, très bien. Nous avons fait une tournée. Que cette tournée, c'est une caravane ouest-africaine. Ça a été organisé par la CGLT. CGLT, c'est la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest. Donc euh, cette euh, convergence, la lutte, c'est pour lutter contre l'accaparement des terres, la pollution de nos eaux, de nos terres euh, avec l'utilisation des produits chimiques tels que les pesticides et autres qui sont des facteurs pour le, dans le cadre du changement climatique et même qui fait que certains producteurs n'arrivent pas à faire leur production. Mmh, mmh, mmh, euh, et, quels sont les défis à relever pour que le secteur soit vraiment prometteur Bon, les défis à relever sont énormes, mais hein. je peux citer quelques-uns. Par exemple, nous avons parlé de l'accaparement des terres. Mhm. On sait qu'en Afrique, il y a des Occidentaux ou bien il y a des multinationales qui viennent en Afrique. Ils identifient des terres qui appartiennent à des communautés, à des producteurs paysans et il va vers les États pour dire que ces terres-là, ils veulent, leur montrer l'argent et en même temps, les décideurs politiques euh, prennent des décisions pour accaparer ces terres-là parce que c'est une accaparation et remettre à ces multinationales-là qui vont faire soit leur production dedans et ces paysans-là sont eh, soumis à d'autres pratiques parfois avec, dans des pratiques inégales ou bien qu'il quitte le pays même. Parce qu'avec le désespoir, c'est lui qui est en train de faire soit sa culture maraîchère ou bien culture céréalière. D'un moment, on leur dit de se lever sur leur terroir, de quitter et on cède l'endroit à un étranger, un multinational. Ça crée une frustration et aussi un désespoir de la personne même. Parce que vous n'êtes pas sans savoir dans cette euh, dans cette caravane, on avait pu découvrir qu'il y a eu des accaparements de terres de 2 millions d'hectares au Niger. Et cette même personne a eu aussi faire euh, avec euh, la complicité des autorités sénégalaises des hectares de plus de 1 million d'hectares aussi au Sénégal qui est mis à sa disposition où il est en train de faire une production fourragère. Euh, pour revendre dans, dans un autre pays, eh, pas même au Sénégal, dans un autre pays. Et cette même personne, on a mis à sa disposition plus de 2 millions d'hectares ici au Niger. Mhm. Donc, euh, cette convergence est en train de lutter contre ça et l'implantation de certaines usines qui font des produits qui ne favorisent pas notre environnement et notre culture. Mhm. Espérons de tout cœur qu'on pourra se retrouver une autre fois pour euh, approfondir vraiment le sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous avons noté que euh, ce sont euh, des problèmes que des maraîchers rencontrent et que vous essayez de lutter contre. Marquons à présent une petite pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Le Niger sur se poursuit, mais cette fois-ci avec notre rubrique santé. Elle nous conduit au centre de santé intégré de la région d'Etawa, avec les médecins chefs du district sanitaire. Nous allons voir les maladies pour lesquelles les populations fréquentent le plus la structure. Par ailleurs, les Arzika déplore une faible fréquentation par les femmes enceintes. Il est interrogé par Amoutar Mahamadou. La maladie la plus fréquente, c'est beaucoup plus le paludisme. C'est ça qui fait vraiment des ravages au niveau des enfants. Et Dieu merci, ces derniers temps, du fait donc qu'il y a beaucoup d'interventions, il y a eu la distribution des moustiquaires, il y a eu des sensibilisations sur l'hygiène du milieu, et il y a eu eh, la distribution eh, ce qu'on appelle des produits de, pour la chimie prophylaxie, la CPS, qu'on faisait presque, ça fait maintenant 4 ans, chaque, à peu près 3 mois de chaque année pendant la période hivernale. Et grâce à toutes ces interventions, Dieu merci qu'on a vu diminuer de façon drastique en tout cas, le taux de paludisme chez les enfants là, et même la mortalité a beaucoup diminué, ainsi que les autres mobilités qui sont liées au paludisme. Et dans le temps, quand vous venez dans nos centres, ici par exemple en pédiatrie, quand vous partez, pendant la période de pic de paludisme, vous allez trouver cinq enfants par lit. Et il y a d'autres même qui sont à terre, un peu partout. Donc cette situation a beaucoup diminué ces dernières années, surtout cette année. Cette année, on n'a même pas placé plus de deux enfants sur un même lit. Et même par rapport au taux de mortalité, vraiment à la mortalité, ça a beaucoup diminué. Dieu merci avec toutes ces interventions. Comment est cette euh, fréquentation C'est vrai, les gens viennent quand même consulter parce que vous voyez maintenant quand vous sortez, vous allez voir au niveau de tous les services, il y a des gens qui sont là et même je viens de consulter, j'ai consulté maintenant plus de 15 malades et il y a d'autres qui sont là encore assis. Ils fréquentent quand même les centres de santé, mais on veut que ça continue ainsi. On ne veut pas vraiment qu'on nous amène des malades gravataires, alors qu'on pouvait les amener à temps. De l'autre côté, c'est par rapport, par exemple, aux femmes enceintes qui viennent pour les consultations prénatales. Donc, on veut que, à l'instant où la femme constate qu'elle est enceinte, qu'elle vienne directement et consulter. Parce que les femmes attendent parce qu'elles ne veulent pas qu'on sache qu'elles sont enceintes, je ne sais pas c'est quoi. Elles attendent jusqu'à 4 mois après ou combien de mois pour venir. Et très souvent, s'il y a certaines affections, certaines maladies qui sont là, par exemple, la femme peut faire ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine, en dehors de l'utérus. Là où elle va traîner la grossesse, elle ne sait pas ce qu'elle porte. Peut-être un mois ou deux mois après, elle va commencer de saigner. Et le dégât, c'est que déjà, la trompe très souvent est rompue, tout ça, là, il y a eu beaucoup de dégâts, alors qu'on pouvait détecter ça avant. D'autres viennent pendant qu'elles ne sont plus l'enfant bougeait. Quand on regarde, l'enfant est mort. On ne sait même pas depuis combien de temps. C'est un autre problème qu'on pouvait gérer avant. Maintenant, il y a celles qui font les crises d'éclampsie là. C'est lié à la tension plus grossesse. Une grossesse qui se vient avant que la femme maintenant, l'autre côté, elle est hypertendue. Donc, c'est état de fait fait que, en sorte que si la femme ne fréquente pas, elle ne consulte pas, au moins, très souvent, à un moment donné, elle va faire la crise ou une pré-crise. Et là, on pouvait prévenir tout cela. Il suffit de fréquenter, on prend l'attention, tout cela, on constate qu'elle est certes enceinte, mais l'autre côté, elle est hypertendue. Et là, on gère ça très souvent. Quel message avez-vous à l'endroit de la population Ce qui nous tient à cœur, c'est le fait que les jeunes ne viennent pas à temps au niveau donc des structures de santé. À chaque fois, quand on constate que quelqu'un est malade, il faut toujours passer par la médecine traditionnelle. On demande à un tel d'apporter ce qu'il a comme médicament, un tel d'apporter. C'est quand les gens constatent que vraiment la situation devient gravataire et s'installe là que quelqu'un va dire ah il faut l'amener au centre de santé. Donc c'est cette situation vraiment qui nous dérange parce que l'agent de santé lui qu'est-ce qu'il veut Il veut qu'on l'amène un malade qui est conscient. Il est plus à l'aise de le prendre en charge. Parce que très souvent, si c'est un enfant, on l'amène pendant qu'il est en train de convulser ou il a perdu connaissance. Et même des fois, les adultes, c'est la même chose. Alors qu'on pouvait l'amener un peu tôt. Et même, c'est moins de charge pour la famille. Parce qu'ils vont dépenser moins. Et la l'agent de santé sera plus à l'aise pour le prendre en charge. C'était là la rubrique santé euh, préparée par euh, Motari Mahamadou. Chers auditeurs, euh, le titre qui va suivre cette fois-ci, ça parle d'amour. Et oui, chers auditeurs du Niger sur Kalangu, aujourd'hui nous cherchons à toucher votre sensibilité. Ah oui, Samy, le titre qu'on vous propose à cette fois-ci, c'est a une pire chanson d'amour entre l'homme qu'elle appelle affectueusement papa. Il s'agit de Rekia Moussa Poussi et Moussa Yaro. <laughs> kauna kuwan jiki naki ya taɓa ni ke ce farin ciki raina raina kauna kuwan jiki naka ya taɓa ni kai ne farin ciki raina raina so rayuwa ne wanda ke gini na kikin ka ni ya zamo sani zuciya da ruhi can kika rini ba kamar ki tabbas na ji na gani so zuma ne kin yi mintini ne zana ba ki yarda ke ko ki ba ni kauda farin ciki da soyayya ina gankarar ina kunya. de Rekia Moussa et Moussa Yaro. Chers auditeurs, si vous venez juste de nous rejoindre, sachez que vous n'avez rien raté. Eh bien, car vous avez la possibilité de réécouter l'intégralité de cette édition sur notre site web www.studiocalango.org. Place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Tilaberi, plus précisément à Baleyara. Hajara dit tenda via Balayara, elle transforme les fruits de l'oseille en sumbala, un ingrédient incontournable en zone Zarma Songhay pour préparer une bonne sauce. Hajara nous propose la recette d'un bon sombala et comment préparer une sauce avec ce condiment. Elle est au micro de Mamata Dandakoy. bi te yau. gwarin badda ni wani gisimai zo da wani sosai zo ni gisimai zo ne ya gwani sa go hansan te ni hansa hala bori za su sai dinai din bi kutun gwai kunu wani si dai kalaci ne gisimai zo hanse ni mun ko so da ke ni gisimai zo ni mun ma da so ni sabai gin dangi tan ga gam sabai gi zarguno din ham sabai gi zarguno din har da go gidi ta yan hannan te alulu bandi yan afo yan ni na fo mo kadda alasar ni ma doru ni ma sundandi da sundu ta modin gan sosai zo mo gon se ni ma da ngara sabai gi sokum annan bai kan a wasa muskoi bagu zam da bagu masu kanu na ni ma dabu madan sakra mukoi ga gisi ni gisi su suba na tun na ma sambuka na ma da humburra na ma sabi kalamu bori sabi yodin ga nugun disa sawa sase wala man wasa sai da mu sase kai nim sai sai tam wodin ga ni ye kiye ga dabu koi ne hal yen watu wo kai no ni gna am te jirbi hin ka ma da dungai gono jirbi fallan dai no wasa sai susuba mo bi gubo ni mi ga sambu ni ma katare ni ma yen ni sabai kabran ara ni sabai kabran ara kalamu kogu da kogu tam din ga ni wani maro tena sasa kan dan ara kan da barko du bongu dini kan din faru ni te ni ga ka he no radin sina se ka kesa ni ka gu mar gu ton ngono ga sasa kan ni dan ara ngai wato ka za ci ni fallan dai wasa masongo ga ci ni fo din ni sabe ci ni fo amma liye ni wa tunu kan wai ni ga su gumbu gumo ci ni hin kuno ni ga se ya gon se gu guman harodin kigidu gisima hiniyan wo banda borgi ga goida gisima din dai kan ni hina harodin kan ni ka ni dai tutori hari ni ga ka ni ga da ni kusora mu da ni ga bai ni mu da ni wane din gor mar bore da mar tonton bore mo bi man da mari a te tefoi mun ga bai da mun haya kudda da zarga ni mun foyo komandi tani tutori hari gorbon sai wana wani lakkal kana ga gumo zamni ga bai mat kan no nun goida ni ga mat kan na ga man da kulkan na goda ni ga mat kan nan sajauda bi dum hin kunu ni ga duru gite bombo bon izodi dana ba mo ni fanda ya din te mar gozon bukigi wanki manduro ngati wanki ga nera habairadi mata naran te wani maro wote yango an ya gane diya zai wa mutum a fitigar nguno te mari maro ka te mu tam ko ga ne rahabu window se na gate skoda haba skoda no za da gate kal wai hije ka wai je kan ngono mu kulwa na maro kalir bu mu kan zan kai di matki marte da gma aka ne lakkal kana ga zamai gbe matkan ai goga goida ai gbe matkai goga ha goida ai lakkal kana ga din man da mari ni kan don marfai nuno ni man da mari mai no na se sosfai sosfai dai ni gogun amma an da mari ni ma ka kuma mari mu a wani goyo ba guma ga te safar mu yana ga so kan borai bon ga e fer mu bi ba mari borai hanfanin da so hon meki nawo aran di yan woga wai borai ga goyi da mari bi so zaman wai hije wai su ba mari na ga fun ba ga ni. ni kan do ni maar foi do sma don Feira, ni wo kai se ni sig ma foyo kani ba kai foyo skan bu mun ba kai na han ni haro di ba ni zargan da ni sma maro hau amma hadan man zargan di ne nim ta wa sin mu don no ni ma maro hau Un big up à tous nos radios partenaires et auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement à Tilaberi. Tout de suite, la page sport, nous sommes... On va marquer une pause avant d'attaquer la page sport. Ouais. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. je l'annonçais toute pressée avant la pause, euh, c'est la page sport. Nous sommes avec notre chroniqueur du jour, Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Bonjour. Retour sur la lutte traditionnelle d'Agadez, Kadri Abdoudi Isaka Issaka, deux Dosso, six fois champion. Et eh oui, en retournant dans la capitale de l'Aïr, eh, nous allons donc parler, apprécier d'abord les derniers combats de la lutte traditionnelle et ainsi, donc, euh, quel était aussi le déroulement de cette compétition, même si les organisateurs, eux, apprécient le bon déroulement de la compétition, la population, elle, a des avis divergents et elle l'ont dit au niveau du micro de notre correspondant, Anissé Karim de Piagadez. On les écoute. Je ne suis pas du tout satisfaite du résultat. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est comme s'ils sont vie de la victoire. Or, la victoire ne dure pas éternellement. Donc, s'ils ont confiance à leur leader, ils auraient dû refaire le combat. pour avoir vraiment un combat sincère. Mais vraiment, c'est le combat le plus nul de l'année, si je peux le dire. Moi, de la façon dont j'ai observé, vraiment, j'aurais voulu que ça soit eh, une victoire méritée. Mais de cette façon, c'est comme si c'est une victoire qui n'est pas claire on aurait voulu voir qui est l'éditeur qui est champion. Il terrasse l'autre de la façon où tout le monde, partout, si on voit ça, on sait qu'il a mérité sa victoire. Mais comme ça, vraiment, les organisateurs devront réorganiser cela dans les prochaines éditions. Comment yadda comité d'organisation de comité ad hoc Règlement, na pas da aka ba da da qui Règlement da in kai kai in ya kai a ƙasa kai yayi wannan na aka ce komi da doka ake aiki komi da kake gani in dai na tsari ne ana so ai yi tsari tsari daidai abu doka da take gaskiya mun ji daɗin waga kokowa mai rabo ya samu rayuwa gaskiya final ta burge alhamdulillah Parlons football à présent. La Super League de football du Niger se poursuit surtout à l'étendue du territoire nigérien. Comment ça se passe, Soumana Eh oui, donc euh, des matchs euh, de la huitième journée ont eu lieu la semaine passée à Niamey comme à l'intérieur du pays. Ainsi, je vais vous donner quelques résultats de cette journée. Le samedi 30 décembre 2023, douane de Niamey et l'US Gendarmerie nationale se sont séparés sur un match nul et vierge, zéro but partout. Le lendemain, dernier jour de l'année 2023, l'AS Garde nationale a battu l'AS Police par le score de 1 but à 0. Et puis la neuvième journée de cette euh, Super League de football du Niger débutera le 5 janvier 2024. Alors, euh, quel est le classement provisoire à l'heure actuelle eh bien, toujours, c'est s Fan qui est en tête avec 16 points, 11 buts marqués et 3 encaissés. Suivi de la Nigelec, aussi 16 buts marqués, pardon, 16 points, 8 buts marqués et 3 buts encaissés. Enfin, il y a aussi à la troisième place, nous avons don de Niamey avec 15 points. Donc en bas du tableau, nous avons la Cocana d'Arlit et l'espoir de Zender, chacun 5 points. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci Soumana. Aujourd'hui, nous vous proposons non pas les portraits d'une personne, mais d'une communauté entière. Nos projecteurs sont braqué sur les Slinké du village de Birnin rattaché au département de Birnin Le fondateur est Amiro Boussi, venu de Danchandou dans la région de Tilabiri, qui sont les Slinké. Des précisions avec Alhaji Ali Amiro, le représentant du chef du canton. Il était au micro de Oumomoro. Moro. Alhaji Amir Slinké, Mouarifa, Miame, Tariq birni silankey birni silankey de singa Inch'Allah birni 1901 singa tarif silankeyi silluɓe ɓe garana ɓe yoyi dancandu koɓe gari ɓe yoyi dancandu ɓe gari ɗo ɓe gardi e bayero ɓe gardi nden ɓe cingi ɗo silanke 1901 o moe woni amiru arano cinguɗo birni silanke amiru arano on woni amiru busi o yiyete abdoullahi woni inde makko kam woni cinguɗo silanke cingol birni silanke warde hannden amiru e footin mari witti eyi hano cinguɗo silankey kawoni amir bussi gaɗa amir bussi on dilli den ham pati amiru kan hoji gaɗa pati on hoƴi yawti nden sehoma gaɗa sehoma yawti nden hamma altine gaɗa hamma altine nden hamma mamudu gaɗa hamma mamudu yawti nden woni de ɓe kokki transition jirbalo donc amiru siddo wakkati on donc a mersiddo ɗum wuuri jaɓi tunda kalfinaɗo kasinini jomiraɓe hunde poti fu jaɓan donc da amiru on ɓi sehoma non siddo on amiru siddo ɓi sehoma non nden o jaɓi gaɗa siddo sehoma nden amadou siddo kam won ɗon hannde wode darama nder birni ɓangeje kan hiƴete amma birni silanke kayi yi'ata kenani no wodi amiru hoore mum ɗume waddi noon ko waddi ɗum woni illa toon to bayero tawiɓe toon tawdanaɓe na laamu maɓɓe ɓe jogi toon leydi ɓe jogi toon amiruɓe noon to enna donc wakkati o wardata e maɓɓe wandi o wardana ɗo kono o honi noon o honu noon ɓe jooɗi hamɓe konidi o hoƴanaɓe na dow ɓe gara ɓe nangganamo ɓe ballodira ɓe teta dallol e juuɗe wayɓe maɓɓe jogiiɓe dallol donc a adi niɗɗon jogii leydi muɗum nde nini a wari de on koni a kanɗo leydi ne to ko hokkiɓe leydi noon ni o ɗum waɗi ɓe laati amiru en amiru en o adiɓe toon amirujo maɓɓe dilli ɗo dilli ɗo jamaare mum warri ɗo ɓe koni ɓe joddake o hokkiti amiru nokkure kandu joddi kadi fa hannden e jamaare muɗum silluɓe e yimɓe sulankeyi ɓe ƴuwana don ka inda ta kina asalin asal ma na gambi daga gambi don bici mituri mali don ka yi hambe personnel en non won be non gala no kurore to gonbe desi wakati on to be jodi wakati sadda fu be konan e jawta ni be tokki der niger ɗo en ɗo ɓe ɗuwoy ko ɓe gari ɗo silanke ɓe jooɗi ɓe niger ɗo ɓe na dancano dancano handen tan woni ma komen muɗum o dancano ɓe joyi dancano no herri burcina. E burkina no woni frontiére niger e burkina e onde botu ɗon ɓe goni eɓe jooɗi dow nokkure gonɗo wi'e hano feto gonɗon ɓe gari ɓe jooɗi dow mum no yi'e e beela donc dow beela ɗon ɓe jooɗi wuro gon ɓe gatti inde maggo dañcano ton ɓe ƴooyi ko ɓe gari ɗo henna kamɓe bayero en gardi bayero to ummoy ton wari fantiɓe ɓe ummodowi ɓe gari ɓe joddi dallol ɗo henna illa ɓe gari ɓe cingi birniwarji to bayle kay aɗa andi ɗini yimɓe jooɗi hande e jaango bayle kay baylata ma jonka e amiru on ɗo inde amiru on nono hannde hunde fu wayli fa jonka e hannde machallah mhm. to joni hanodira dow inde birni silankey jo wuroɓe foto na mbi'en himɓe foti wawta wuroji foti wawta yoɓi jangal ɗo en hano ko wonnono den birni silankey ɗo nden no wuroji ko yoɓanta birni silanke jangal e belan e silankeni ɗo yoɓanno donc fu to silluɓe jooɗi demmo silluɓe to jooɗi jooɗi no woodi gotta no kima wuroji wuroji ni en misali joni hano miɗo wawi widema belanɗe en no woni wuuro gonno toon no singi no yi'e hano jaa baali hadde muɗum ɗon no yi'e nawda yimɓe muɗum fu ɗo gonnono no joɓanno silankeɗo ayanna birni silanke ɗo joɓanno jangal amma hannde ɗum ɗon fuu andi kominiji kominiji gari wayli hunde fuu joni hande silanke ko fiili ɗum ni kam woni ko on yoɓatan ɗum jangal no woni ceene en no woni yellewo en no woni dadiyol en joni ɗo kan wonno entourant mon ni jon kay e kan jogi en joɓata jangal ɗo Merci au pour cette historique. Les derniers titres de cette playlist vous rendra sûrement nostalgique. Voici pour votre plus grand bonheur, Sharifa de la Chakomega. うん C'était la shérifa de la Omega, place à présent au loti du Jura. La chronique loti d'aujourd'hui touche du doigt les problèmes de ces femmes qui fuient et refouillent les téléphones de leurs conjoints. Aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui cèdent à la tentation et fuient dans les téléphones cellulaires de leurs conjoints. Certains maris le font également, Mariam. Mais pourquoi font-ils cela en sachant que le portable reste quand même un outil personnel et privé À ce sujet, Mariam Diallo et Talata Abdoubahar. Affairage, affairage, affaire, affairage. Et Alain, depuis là je suis sur ce téléphone. Je n'arrive même pas à déchiffrer son coude. Peut-être même c'est avec l'empreinte de son doigt qu'il ouvre l'appareil. Bonjour, ma copine, bonjour. Hé hey, Alissa, tu ne m'entends pas Je te salue. Toi là, tu ne vois pas que je suis concentrée sur un travail <laughs> Pas besoin de le dire. On peut le voir à des milliers de kilomètres. Au fait, qu'est-ce que tu fais avec une feuille et tous ces schémas Tu es devenue mathématicienne ou quoi <laughs> C'est ça. Écoute, ma belle, j'essaie de trouver le bon chemin pour décoder ce portable. Eh, mais tu me fais rire. Comment as-tu oublié ton mot de passe Toi aussi. C'est celui de mon mari. Il est bizarre ces derniers temps-là. Alissa, ne fais pas ça. Tu pourrais regretter de voir ce que tu cherches dans ce téléphone. <laughs> non, t'inquiète, je fais vite et je le ramène avant qu'il ne se réveille. Ce n'est pas possible. Tu es vraiment déterminée à fouiller dans le téléphone de ton mari Hé, parle doucement. Sinon tu vas le réveiller. Je le vois depuis quelque temps s'isoler pour passer des coups de fil. Toujours entendre des cris des SMS. C'est sûr qu'il parle à une autre femme. Je dois savoir qui est-ce. Hey Allah, c'est vraiment irresponsable. Je dirais même immature. En plus, ton mari pourrait le prendre très mal. Ce n'est rien. C'est pour cela que je profite de son sommeil pour prendre le portable. Regarde tout le mal que tu te donnes. C'est à la limite de la torture. Et si tu découvres qu'il voit une autre personne, tu auras mal. Et dans le cas contraire, tu te seras torturé pour rien. Le plus compliqué et que si ton mari le découvre, tu auras détruit la confiance qu'il a en toi et l'harmonie qui existe dans votre couple aussi. Hmm. Tu sais quoi Tu dois avoir raison. Hmm. Cela fait une semaine que je mène cette enquête. J'ai dû surveiller ses moindres mouvements pour connaître ses chemins. <laughs> On appelle ça enquête et filature. <laughs> oui, enquête et pour un résultat si peu satisfaisant. Arrête un peu de te moquer. Hmm. Moi, je te dis, pour toi et pour tous ceux qui fouillent dans le téléphone de leur partenaire, sachez que cette pratique peut détruire votre relation. C'est un conseil hein, que je vous donne. La confiance est la règle d'or. Et je vais aller déposer ce portable. Mais, je nous, disais ce qu'on dit, non La confiance n'exclut pas le contrôle. <laughs> Voilà, c'était là les lots Fama du studio Kalangu. Chers auditeurs, j'espère que vous avez bien pris note. Les auditrices et les auditeurs aussi, ils ont pris note, <laughs> ça les concerne. Nous allons à présent passer à la culture linguistique avec Maman Ada et le mot du jour est honneur. Bonjour Maman Ada. Bonjour euh, Mira. Et l'honneur du, le mot du jour, c'est honneur. Honneur est un ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse peur de l'estime qu'on a de soi ou celle d'autrui nous porte sens de l'honneur, sentiment de sa propre dignité, réputation. Attaquer l'honneur de quelqu'un en termes littéraires, l'honneur c'est tout simplement une fierté. et depuis les événements de 26 juillet 2023, le mot honneur revient dans le langage des citoyens, surtout avec euh, le nouvel hymne du pays intitulé L'honneur de la patrie. Et ça ça ça donne quoi duba ana ko daraja shi ko kuma girmamawa don da idan ka duba yadda mutane suke nuna mutuncinsu ko girma ga ƙasa dole ne a ce onar wato kalma ce mai muhimmanci wato mutunci kenan daraja da girmamawa Merci Ada pour cet éclaircissement. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Moi, c'est Bilal Ibrahim Moussa. Donc, je suis le secrétaire général de l'association régionale des sans-emploi d'Agadez. J'écoute, euh, mais pas tous les jours, pas tous les programmes. Mais j'écoute euh, les programmes, souvent euh, par coïncidence, des studios Kalango. Sur le réseaux sociaux aussi, je regarde. Là, la majorité, c'est la radio. Majoritairement, c'est la radio où j'écoute Studio Colango où parfois, nous, je suis informé de l'actualité. Parce que l'information, elle est très importante. Si même tu n'es pas de la ville, donc quand tu es imprégné de ça te permet d'être à jour. Et c'est très nécessaire. Les informations du studio Kalangu, euh, je les trouve très euh, passionnantes parce que euh, l'information, elle est capitale. Je suis mis à jour avec Kalangu avec les informations qui surtout j'ai fait de mon mieux pour être à jour avec Studio Kalango. Pour l'année 2024, je veux que ce soit une année de réussite une année de santé et surtout une année de patience, une année pour le Niger, pour le nouveau élan que le Niger a entrepris, que ce soit une année de réussite, d'ouverture des sanctions posées par la CDAO. Je me nomme Fatima ici à Tirozerina. Le Niger Serkalango, pour moi, c'est une émission très spéciale, très importante que tout interlocuteur doit suivre parce qu'elle aide sur beaucoup des choses. C'est qui me motive à écouter le Niger sur Kalango, c'est surtout le loti des femmes du studio Kalango. Vraiment, ils font de leur mieux. Je suis fan d'eux et j'ai beaucoup appris sur euh, cette émission-là. Il y a aussi l'actu des jeunes, la revue de presse, tous à la fada. Ce sont des points qu'il ne faut pas rater. Je salue tous les travailleurs du studio Kalango. Je salue tous les animateurs, les techniciens, les reporters. Je leur souhaite souhaite euh, une très bonne année 2024 avec beaucoup de succès, plein de bonheur et de réussite. Et aussi, je souhaite à tout le peuple nigérien une très bonne année 2024. shirye-shiryen ko yana ƙayatar da mu sosai saboda ana wayo mutane da kai akwai abubuwan da aka yi sosai cikin ƙasa ko cikin al'amuran mahukuntan ƙasa ga waɗanda mutane ba su da labarin su to ta hanyar ko kuma gaskiya ana ƙaura sosai sai dai mu yi muku addu'a ubangiji Allah ya kara muku karfin gwiwa kuma Allah ya kama muku dan muna jin daɗin al'amuran ku sosai gaskiya talakawa suna kansu yana wayewa bisa ga shirye-shiryen ku dan in ba ta hanyoyin ku ba wasu abubuwa ba talaka bai da iya sanin su bai iya sanin inda ƙasa take kuma bai iya sanin inda za a ai ma yokici bubukar halidu kan goma dawa iro dai studio kalangwir goma kani gumgumo hankali ne dai girta yo kan woka da studio kalangu ko ŋwaray day am te hen kul se gomni ir ga ma isiro kani gumgum wallahi igogi cimcimo irwo hankan kani irgoga ma kul kante laborano hadde nan studio kalongo hangan to kul ne mara iga dam mat kul kanci no haya gi manda niga mara iga dam iga cimo cimo ara gumo irgogi fonno de sabi ton ne wandi studio kalongo ga Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, ici prend fin cette émission de ce mardi 2 janvier 2024. Retrouvez demain Habiba Hamed et Rabia Mekano pour un autre numéro de notre émission Le Niger sur Kalango. Vous étiez en compagnie de moi-même, Mariam Ade et Samira Rouafi. À la technique, nous avons Amina, Hassan, et Rahilet Toussoumana à l'édition. Chers auditeurs, il n'y a pas que le Niger sur Kalango. N'oubliez pas de suivre à partir de 17h le journal en français et ça sera avec moi suivi des autres journaux en langue. Et juste après le forum à 18h15. Bonne suite de programme à tous sur Kalango. Il est temps, il est l'heure. On tourne la page pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah, fête toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.